Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou que vous recevez via son réseau de 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger ainsi que nos cette télévision. Attouchement sexuel sur mineurs quel impact C'est le thème du forum de ce jour. Dans le rapport de situation 2020 sur la prévention de la violence à l'encontre des enfants dans le monde, publié par les Nations Unies, il ressort que chaque année, un enfant sur deux dans le monde est victime d'actes de violence physique, sexuelle ou psychologique, mais la violence sexuelle à l'encontre des enfants est unanimement considérée par l'UNICEF comme une des pires formes de violation des droits de l'enfant. Parmi ces violences sexuelles figurent les attouchements sexuels sur l'enfant. Ce phénomène est malheureusement présent ici au Niger. Alors pour avoir une vision plus exacte du phénomène, parcourir toutes les dimensions des violences sexuelles faites sur les mineurs, connaître leur impact sur leur vie ainsi que les voies et moyens pour y faire face. Nous recevons dans ce studio le professeur Moussa Zangaou, il est sociologue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Iliasou Amadou, il est juriste et représente l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence. Bonsoir. Bonsoir, madame. Docteur Iné-Pierre Mourad, il est gynécologue obstétricien. Bonsoir. Bonsoir, madame. À la modération, c'est Nafis Adam Sirfo. Chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangou, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue à tous. Avant donc de rentrer dans le vif de ce sujet qui porte sur les attouchements sexuels sur mineurs, je vous propose d'écouter ce témoignage sur un cas d'agression sexuelle, harcèlement sexuel sur une mineure dans un quartier périphérique de la ville de Niamey. Je vous propose d'écouter. bon girbi de il y a quelques jours dans notre quartier vers le Grand Ekoga, il y avait un jeune garçon qui était venu vivre chez sa grand-mère à Et la dame, elle avait un fils qui est déjà marié et a une petite fille de 4 ans. Et le jeune garçon qui vient du village, comme il est revendeur ambulant, il paye des bonbons à la petite et l'amène à la maison, jusqu'à ce que la petite fille avait eu confiance en lui. Donc on lui permettait de prendre l'enfant, aller payer ses fameux bonbons et revenir. Mais un jour, ils étaient partis acheter les bonbons. Au retour, la petite ne faisait que pleurer sans s'arrêter. Et la raison de ses pleurs était qu'après avoir payé les bonbons, il a amené la petite fille dans le ravin à côté pour baisser la culotte de l'enfant et avait voulu abuser d'elle. Elle, n'arrêtait pas de pleurer. Et comme vers ces ravins, il y avait des petites maisons en banco, une vieille femme y habitait. Elle entendait les pleurs de la petite. C'est en ce moment qu'elle a essayé de venir voir ce que c'était derrière le mur et a aperçu la scène. Elle lui a crié dessus et il a vite remis la culotte de l'enfant et l'a ramené devant la porte de la maison, puis a fui. Depuis ce moment, on ne l'a plus revue. Mais quand on a amené la petite fille à l'hôpital, le médecin a assuré qu'elle n'avait rien. C'était horrible, ça faisait vraiment froid dans le dos. C'était sa cousine. Imaginez ce que sa mère pourrait ressentir. Maintenant, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Que Dieu protège seulement nos petites filles. Sinon, même les petits garçons ne sont pas épargnés avec ce phénomène de pédophilie. Avec le problème de pédophilie, là, c'est un phénomène euh, donc euh, récurrent qui prend vraiment de l'ampleur ces derniers temps, ces phénomènes d'agression, d'harcèlement, d'attouchement sexuel sur mineurs. Je commence par vous, euh, professeur Zangaou. Docteur, autant pour <laughs> moi, oui. Euh, après écoute, quelle réaction Merci, madame. Bah, c'est une question de société qu'on vient de nous soumettre euh, comme exercice. C'est une scène malheureuse, c'est bouleversant. Une petite fille de 4 ans tenter de lui faire découvrir cette horrible scène, mhm. cette horrible scène qui est une des caractéristiques des manifestations de la sexualité dans les sens les plus négatifs possible. Mhm, mhm. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment <laughs> euh, bouleversant. Mm, c'est bouleversant, c'est bouleversant. Mais comment même expliquer ce phénomène dans la société Mais <coughs> une société, vous savez, son état de santé, état de santé entendu au sens de mental, au sens euh, de comportemental, tout ça, aujourd'hui, nous interpelle. Nous sommes malheureusement dans des sociétés qui souffrent. Souffrir de l'observance des règles mm-hmm. qui que ceux qui nous ont précédés ont valorisé et qui ont fait la fierté de ceux qui, de ce qui fut. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés malades. Euh, l'éducation, est malade. si l'éducation dans un système est malade, <laughs> mais la suite, c'est que tout serait malade. Mm, mm, mm. D'où cette interpellation de tout le monde, en commençant par les éducateurs. Et les éducateurs, c'est d'abord les membres de la famille vis-à-vis de leurs enfants. Ensuite, un nouveau plus élargi, l'école, la société, dans son ensemble. Mhm. Quel comportement privilégié, quel comportement développé vis-à-vis de ceux qui ont à découvrir, surtout les enfants. Autant de dimensions donc euh, liées à, cette, euh, à ce phénomène. Les attouchements sexuels sur mineurs est une réalité ici au Niger. Docteur Mourad, vous êtes gynécologue obstétricien. Et ah, vous avez entendu euh, le témoignage, un témoignage poignant d'une mineure qui a failli être victime d'un viol. Mais euh, comment expliquer cela Quelle est votre euh, réaction d'abord Merci. Donc ma réaction, c'est que vraiment là, ça me dépasse un peu. Mhm. Mais c'est pour vous dire un peu, c'est notre quotidien actuellement. Tu ne descends pas, tu ne montes pas de garde sans avoir ces expertises. Nous, on les appelle les expertises. Sans avoir ces genres d'expertise-là, et malheureusement dont on rencontre, c'est plus sur des mineurs. Et parfois, ce ne sont même pas des adultes, hein. non, c'est des jeunes. Un jeune de 12 ans, 13 ans, 14, 15 qui, qui cherche une petite gamine de 4-5 ans comme ça. Mhm. Vous avez vu dans le reportage, elle a dit on l'a amené à l'hôpital, on a vérifié, effectivement, on ne lui a pas fait de. On lui a rien fait. Mhm il a tenté. Mais il a juste essayé de tenter. Dieu merci, la femme l'a été venue, la vieille femme l'a été venue pour la sauver. Mhm. Mais c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Mhm. Donc on va voir après autour de la question qui malheureusement ça compromet carrément tout l'avenir de cette gamine. Et si par malheur ça aurait dû être fait, c'est tout son avenir qui est parti comme ça et qui peut être bouleversé. Donc, euh, on peut, ce, phénomène euh, se qualifie d'attouchement, mais qu'est-ce qu'on entend par attouchement sexuel même Très bien, merci. Par définition, quand on parle d'attouchement sexuel, c'est le fait de d'essayer de faire des, comme son nom l'indique, d'un sens littéraire, de toucher certaines parties intimes mhm. d'un enfant. Donc, quand on classe les enfants, nous, dans les tranches d'âge, vous avez les grands enfants et les adolescents. Mhm. après. Donc, d'un point de vue juridique, on va vous expliquer après. Eux, ils résument tout en mineur et majeur mhm. là-bas. Donc, les enfants, quand on fait des attouchements d'origine sexuelle, donc c'est ça, du genre quoi, lors des, des, attouchements qui ont lieu au niveau des parties intimes. Vous comprenez, au mhm. niveau des parties intimes de ces gamins, de C'est en ce temps que l'on parle d'attouchement sexuel parce que l'autre, il prendra du plaisir. Mhm, mhm. Par contre, l'autre, elle, elle est en train de souffrir ou bien de découvrir. Donc, l'un dans l'autre, il y a un qui gagne et il y a un qui perd. Mhm, et donc, c'est une pratique considérée comme un harcèlement ou bien une agression sexuelle même. Bon, sur un mineur, moi je me dis, est-ce que ça peut avoir le nom d'un harcèlement Parce que mhm. comme dans le témoignage, vous mhm. avez entendu, il l'envoyait acheter des bonbons. Oui. Pour, la mettre en confiance. Pour la mettre en confiance. En mhm. fait, c'est des gamines, c'est des enfants. Je sais pas, pour elle, c'est un jeu. Est-ce qu'on peut parler même d'une histoire de force ou bien de violence Parce que pour elle, c'est un jeu, c'est une découverte. Peut-être elle, elle a été sauvée parce qu'elle pleure elle a pleuré, elle n'a jamais vu ces genres de scène-là. Mhm. Mais en général, dans ces genres euh, de, cas, quand nous les avons, on vérifie plus, on va revenir sur cet aspect, c'est mhm. le côté pénétration. parce que qu'il n'y a pas en réalité d'agression comme ce qui se passe dans le cadre d'un viol de l'autre côté, on va voir l'autre aspect aussi. Quand on parle d'un viol, mhm. là, il y aura des signes, des services corporels qui ont été infligés mhm. avant de passer à la pénétration. Mhm. Mais là, peut-être l'enfant, lui, on lui fait ses caresses, on lui fait ses choses sans pour autant que lui, Peut-être il, consent ou il ne consent pas, ça dépend de... Puisqu'il ne connaît pas de quoi il s'agit concrètement. Il peut prendre ça pour un jeu et après, ça peut basculer aussi. Merci. Ilyasou Amadou, vous êtes euh, juriste, vous représentez l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences. Euh, vous êtes une ONG qui milite euh, contre toutes ces violences faites aux femmes, aux enfants. Quelle lecture faites-vous vraiment de cette situation ici Ok, merci. cette, ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de la Violence Familiale. Mm. C'est une ONG aussi défenseuse des droits de la femme et de l'enfant. Mm mm-hmm. Certes, des actes, vraiment, l'ONG intervient dans le cadre suite à des signalements ou bien d'orientation ou bien de référencement contre référencement par rapport à ça. Mm-hmm. Et parfois, si on reçoit César des cas, il y a certaines procédures respectées. Mm-hmm. oui. et, quelles sont ces procédures ces procédures, d'abord, euh, si on reçoit, reçoit la survivante, comme le cas ce mineur, d'abord, euh, il y en a qu'on appelle la fiche de consentement. Mhm. D'abord, il faut que identifier l'enfant, avoir son consentement. <coughs> consentement aussi, bon, même euh, ils disent que le consentement de l'enfant n'est pas éclairé, il faut avoir le représentant du mineur. C'est sur son consentement qu'on va suivre la procédure. il y a une fiche d'identification par rapport à ça. Mhm. Et, comment se présente la situation même actuelle au Niger à, travers les plaintes que vous recevez Vous recevez autant de plaintes de ce genre de situation au niveau de l'ONG Comment se présente vraiment la situation selon vous Bon, on reçoit certaines plaintes par rapport à ça. Mm-hmm. Vraiment, cette situation, c'était déplorant dans le contexte nigérien. Mm-hmm. Surtout, on constate que des mineurs euh, de moins de, euh, moins de 13 ans, 12 ans qui se font ces actes. Mm-hmm. Vraiment, c'est très déplorant dans le contexte nigérien. Et la plupart du temps, comme l'a dit le gynécologue, c'est sur des mineurs de 2 ans, 4 ans. Oui, surtout sur les mineurs de 2 ans, 4 ans. Mhm, mhm, mhm. C'est ce que je parle. Parce que c'est très déplorant de voir euh, dans le contexte nigérien des enfants de 2 ans, 4 ans euh, qui étaient victimes de ces actes. Vraiment, c'est très déplorant. Parfois aussi, ce sont même, ce sont des majorés font ce genre de mhm, mhm. Surtout parfois aussi, ce sont des mineurs entre eux. Eh Donc maintenant, à savoir d'abord où se trouve même la cause de ça. C'est Ça qu'on devrait identifier les causes par rapport à ça, pour bien éradiquer ces genre de filiaux. Mais selon vous, où se, situent vraiment les responsabilités, même si on peut le dire Bon, les responsabilités, ça, se limite à, certains niveaux. D'abord, on peut dire que la responsabilité est liée même de euh, l'éducation de d'abord. Mhm parler de l'éducation, ça peut être un facteur aussi de, de ce, mhm. Et aussi la pauvreté aussi. Et manque d'entourage, ça peut être ça aussi. Mhm, mhm. Donc euh, les responsabilités sont partagées, docteur Zangaou. Nous sommes dans une société malade, euh, des adultes qui essaient d'abuser des enfants. Vraiment, selon vous, quelle est la vraie, vraie cause même alors, je crois que quand on dit une société malade, euh, on résume tout. <laughs> on résume tout. Alors, euh, l'adulte, la personne âgée, censée donner l'exemple, mhm. l'éducation aux petits, aux jeunes, si la personne de référence est malade, alors le produit sera quoi Le produit sera aussi malade. Effectivement. Aujourd'hui, dans Nourri, nous avons beaucoup de jeunes dont le comportement laisse à désirer. Mais pour comprendre ce comportement, il est tout à fait, c'est pas nouveau. Il faut, il faut mhm. interroger le, leur milieu d'origine. Mhm, mhm. Les milieux d'origine, c'est de regarder du côté de la famille, euh, regarder du côté euh, des espaces de fréquentation, des groupes d'amis, etc. Donc, partout, si euh, tout est raté, eh bien, la finalité sera aussi un produit raté. Mm, mm, mm. Nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui euh, qui ne font pas honneur, en tout cas la société nigérienne d'hier. Euh, ça, il y en a. c'est pas tout le monde, ça c'est sûr, mais il y en a malheureusement au niveau de tous les âges. Et la jeunesse, quant à elle, elle subit les conséquences de ces bouleversements socioculturels. Socio culturels Elle subit les mutations, les changements négatifs qui sont le plus souvent les produits des cultures extérieures. Mais tout ça concourt dans le sens de la déformation, de la production du mauvais produit. Mhm, mhm. Cet enfant qui fait ça à son enfant, mais ça veut dire que si vous regardez du côté de sa famille, probablement ça ne sera pas surprenant. C'est pourquoi il faut extrêmement de la vigilance mm-hmm. au niveau de la famille. Mm-hmm, mm-hmm. Il faut extrêmement de la vigilance du côté de l'État. L'État, malheureusement, qui ne joue pas toujours son rôle, et, surtout, et surtout de ce côté. On sait qu'il y a de la défaillance Bien qu'il y ait euh, une loi qui réprimande ce, ce, ce, délit. Oui, mais ce n'est pas suffisant. La mm-hmm. loi, il y a combien qui la connaissent. Mm-hmm. Et, la mise en application. Et la mise en œuvre, <laughs> euh, c'est un gros point d'interrogation. Mm-hmm. Je connais des lois similaires. Hein. Euh, la loi qui criminalise l'esclavage de 2003. Mais <laughs> quel est le résultat Le résultat, il est squelettique c'était la même loi aussi euh, qui parlait du harcèlement sexuel, euh, euh, qui parlait de la question des mutilations génitales féminines mhm. également. C'était le même, c'était la même année que ça a été produit, en tout cas dans le code, dans le code pénal. Mhm, mhm. Mais ces pratiques, pratiquement après 20 ans, elles sont encore là. C'est comme si ailleurs rien n'a été euh, entrepris comme action. Mhm. J'ai dit comme si rien n'a été entrepris comme action ailleurs. Mhm. Parce que dans certaines de nos localités, on ne connaît même pas ça. Ça veut dire que la diffusion, la sensibilisation, l'information n'est pas tellement partie loin. Peut-être euh, dans les grandes villes, les villes secondaires et certaines zones spécifiquement, mais il y a là où, quand l'État est lui-même absent, il est difficile souvent d'avoir euh, euh, certaines informations importantes. Sur ces, euh, pratiques qui nuisent vraiment à la société. docteur Mourad, vous dites recevoir vraiment de, ce genre de cas dans vos centres de santé. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est fait pour savoir qu'un enfant a été en cas d'harcèlement ou bien d'attouchement sexuel Comment, comment vous vous y prenez Merci. Donc, en recevant ces enfants, il y a d'abord deux aspects mm-hmm. qu'il faut d'office écarter. Est-ce que l'action, c'est-à-dire les parents de cet enfant ont introduit une action en justice déjà mm-hmm. C'est quoi C'est aller au commissariat prendre ce qu'on appelle une fiche d'expertise. Mm-hmm, Donc c'est elle que le commissaire dirige au gynécologue qui est de garde. Donc à lui de faire l'expertise, de leur poser et ils vont faire le dossier pour mettre dans les juridictions. Mais dans certains cas, c'est comme le cas dans ce audio-là que nous avons écouté. Qu'est-ce qui se passe C'est entre familles. Un cousin qui a abusé des filles d'une cousine, mhm. ou bien un boy dans une maison qui a mhm, abusé mhm, des enfants du patron, ou une bonne. Qu'ils veulent qu'on fasse une sorte de recette interne. que personne ne sache, juste de, de, vérifier. En général, ils viennent, nous disent de vérifier si cette euh, gamine est, cette histoire de vierge ou pas, si elle a été pénétrée ou pas, ils veulent régler l'histoire à l'amiable. Ils ne veulent pas introduire des actions en, justice. Maintenant, pour le diagnostic, c'est quoi Un, c'est vrai, on va interroger la gamine mhm. par rapport à ce qui a été fait, les jeux d'une manière avec tact. Et deuxièmement, l'examiner. À côté de sa maman, on l'examine. C'est vrai parce que notre examen gynéco aussi va tendre vers cette euh, expérience qu'elle vient d'avoir parce qu'il faut écarter ses pieds, regarder en bas, mhm, tout ça là, mhm. mais c'est avec tact. À côté de sa mère, s'il y a une pénétration ou mhm. pas, on vérifie et on recherche dans son, euh, sur son corps, partout on la déshabille pour voir s'il y a des sévices corporels qui ont été faits, des châtiments. Donc on vérifie tout et ensuite, si c'est à l'amiable, on dit clairement, si ce n'est pas l'amiable, on fait le rapport et puis on envoie oui, pour vérifier à la justice. Mhm. Mais c'est comme ça en général collégial. Sinon, on examine hein, la gamine. Et deuxièmement, également, si on arrive, ou bien euh, si on a par exemple le commanditaire, on leur fait faire des tests des examens mm-hmm. après, des examens paracliniques. D'office, quand c'est sur un mineur, il n'y a pas une histoire de grossesse. Mm-hmm. Quand c'est, euh, j'ai dit mineur, excusez-moi, sur un enfant, il n'y a plus d'histoire de grossesse, mais ce sont les infections classiques. Mm-hmm. C'est quoi Syphilis, sida, hépatite. On fait ces tests-là et peut-être on leur conseille aussi trois mois après, du fait de la période de séroconversion, mhm. d'autres de refaire ces examens-là. Et maintenant, dernièrement, on conseille aussi d'envoyer le, petit chez un pédiatre. Mhm. Comme ici, nous n'avons pas en réalité de psychopédiatre, peut-être si lui, ça le dépasse, il peut l'envoyer chez un psychiatre ou un psychologue pour mhm. essayer de causer avec lui. Mais nous, vraiment, ça s'arrête à l'examen du jour et à la détection des examens de, de, ce bilan infectieux-là. Mm. C'est fini et puis on envoie. Un long processus, euh, monsieur euh, le juriste euh, de l'ONG FEV. vous pouvez nous parler peut-être d'un cas qui vous a le plus interpellé puisque vous recevez des plaintes Bien sûr. je pense que il y a 8 ans de cela, on a eu ce cas. Mm-hmm. Et ça s'est passé ici même à Niamey. C'était vraiment un mineur c'est une petite fille qui faisait même un jardin d'enfants, mm. qui était victime de ce genre de cas. Et on a signalé l'ONG SOS Femmes femme et, Enfants Victimes de la Violence Familiale, mm-hmm. a pris en charge cette survivante. D'abord, ce que nous faisons au niveau de l'ONG, ce genre de cas, on accueille la survivante, on écoute, parce qu'on a une assistance sociale qui va essayer d'écouter la survivante. Mm-hmm. Maintenant, il y a une fiche de référencement et contre-référencement. On oriente au niveau du, de la gendarmerie mhm. pour avoir des certains dossiers, par rapport à ça. Mhm, mhm, et oui, vraiment, c'est ça des cas aussi. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Et justement, pour avoir la précision sur euh, les sanctions, les peines prévues euh, en cas d'attouchement ou harcèlement sexuel, nous avons donc interrogé le juge des mineurs au tribunal hors classe de Niamey, M. Yaou. Il nous en dit plus, hein. on l'écoute. Les attouchements sexuels peuvent être euh, qualifiés sous des désordres, suivant euh, qu'ils soient opérés sur la personne de mineur ou sur la partie euh, génitale du mineur. Mhm. On parle à ce niveau de viol, parce que le viol, conformément à la loi, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. Mhm. Maintenant, lorsque les attouchements sexuels sont, de, sont opérés sur la partie euh, non génitale ou qui peuvent avoir une euh, relation ou une, corrélation avec euh, la sexualité du mineur, en ce moment-là, on peut être considéré comme détournement des mineurs mm-hmm. ou dans certaines situations, si la mineure ou si le mineur est un peu âgé au-delà de 17 ans, il peut même être sous l'angle des harcèlements sexuels. Hmm. Quelles sont les sanctions en cas de harcèlement sexuel Les Le harcèlement sexuel euh, obéit à un certain nombre de conditions bien précises, mais lorsque l'infraction de harcèlement sexuels est constituée, la peine, euh, c'est une peine correctionnelle qui peut être de 2 à moins de 5 ans d'emprisonnement. Mhm, mhm. Et donc, euh, au cas où euh, un enfant est victime d'un harcèlement sexuel, d'une agression sexuelle, quelles sont vraiment les voies de recours D'une agression sexuelle, lorsqu'un enfant. les voies de recours sont les voies de recours classiques, c'est-à-dire les unités d'enquête, ça peut être la gendarmerie qui est la plus proche, la brigade ou la police. Mhm. Vous savez que ce soit la gendarmerie ou la police, depuis un certain nombre années, il y a à leur sein ce qu'on appelle les brigades des mineurs. Mhm. Les brigades des mineurs sont euh, habilitées à connaître toutes plainte, euh, réclamation euh, par rapport à la violation d'un droit dont les mineurs font victime. C'était là donc euh, le juge des mineurs au tribunal hors classe de Niamey, euh, Monsieur Armé Yaou. Euh, alors, docteur Zangaou, bien qu'il existe des voies de recours, que, bien que la loi aussi réprimande ces genres de, pratiques, et certaines familles préfèrent régler ces genres de situations à l'amiable. Comment expliquer cela Pourquoi, selon vous oui. Certaines familles, évidemment, c'est ça qui fait que ces, phénomènes de pratiques euh, négatives euh, prospèrent. Mm-hmm, mm-hmm. C'est parce que beaucoup préfèrent euh, résoudre certaines idioties de la société de manière interne, mm-hmm, au sein de la famille. Parce que tout simplement, souvent on a honte qu'on découvre dans la famille qu'il y a Telle situation. Voilà. Et pour eux, on protège à la fois la victime, qui est la fille, l'honneur de sa famille, mais aussi l'auteur, qui pourrait être de la famille mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Donc, il y a la dimension incestueuse, la dimension intimité, la dimension honte. Les gens parlent souvent mm-hmm. de manière terre à terre de la honte. Mm-hmm. La honte au niveau de la famille, il faut la cacher entre griffes. Mm-hmm. parce que si ailleurs on découvre que la fille elle a été victime de cela, pour certains, ce serait même difficile pour elle d'avoir un mari. Un mari, effectivement. Donc, on protège pourquoi, euh, oui, oui, Ça, c'est extrêmement euh, grave dans nos sociétés qui refusent, qui continuent de refuser de communiquer sur certaines de leurs lacunes. Hum, hum, hum, les lacunes, c'est tard, euh, sont en train de prendre de l'ampleur, de se développer, mais de l'autre côté, on communique moins par rapport à l'ampleur du phénomène. C'est comme les cas de, l'enfant, la, la, Mais sa famille fera tout pour qu'on ne découvre pas qu'elle a été victime mhm, mhm. de ce qui a été relaté. Et qu'on fera tout pour oublier cette horrible scène qu'elle a, vécue, qu'elle aurait dû vivre davantage si ce n'était pas cette vieille qui a crié. C'était ça, son salut. Donc, euh, La société, elle est totalement complice de la perpétuité de certaines pratiques négatives et elle doit vraiment dénoncer pour euh, protéger ses enfants. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre euh, ce débat. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, euh, nous discutons aujourd'hui sur la thématique des attouchements sexuels sur mineurs et nous sommes dans ce studio avec monsieur Dr Zangaou, il est sociologue et monsieur Ilyasou Amadou, il est juriste et représente l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Nous sommes également avec euh, Dr Iné Pierre Mourad, il est gynécologue euh, obstétricien. Et donc en 2016, en mai 2016, l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé une résolution sur le premier plan d'action mondial de l'OMS visant à renforcer le rôle du système de santé dans une riposte nationale multisectorielle à la violence interpersonnelle, en particulier à l'égard des femmes et des filles et à l'égard des enfants. Euh, je reviens toujours avec vous, Monsieur euh, Zanga ou Docteur Zangou. Comment vraiment éviter toutes ces pratiques? avant de... Comment lutter contre ces pratiques euh, qui ont atteint un niveau assez répandu, un niveau élevé mhm. euh, Il est clair que les niveaux atteints par ces pratiques aujourd'hui, c'est qu'il faut des mesures étatiques fortes. Mhm, mhm. Parce que quand on a des familles qui ne peuvent plus assurer l'éducation de manière convenable de leurs enfants, quand la société dans le sens des autres parents, des amis, à la famille, mhm. ne peut plus intervenir pour euh, aider à corriger certaines imperfections observées dans le comportement de l'enfant ou des enfants, là, il faut que l'État, la force publique intervienne. Mhm, mhm. Et sur ce point-là, euh, vous savez, euh, l'administration l'exécutif, mhm. il a aussi le devoir d'assurer la sécurité des citoyens. Mhm, mhm, ça, c'est une menace, une menace sécuritaire au niveau des familles et surtout au niveau des jeunes. Il faut nécessairement prendre des mesures. Parmi ces mesures, moi je pense que eh, il faut voir du côté de l'école ce qu'on peut corriger, renforcer, il faut voir du côté de des familles, mhm. parce que souvent, vous savez, dans certains milieux, quand un enfant pose un acte grave, mais on n'insulte pas l'enfant, c'est plutôt sa famille qu'on insulte, son père, sa mère qu'on insulte. Mhm. Il faut que les parents commencent aussi à prendre le coup de leur négligence, de leur complaisance, de leur mauvais comportement vis à -vis de leurs enfants. Il faut donc protéger ces enfants contre toutes ces formes euh, d'agression sexuelle. Bon, docteur Mourad, quelles conséquences sur la santé de ces enfants Bon, comme conséquence, c'est vraiment son avenir hein, qui peut être mis en jeu. Hmm. Euh, excusez-moi de ce que je vais dire. Bon, quand elle est, si c'est vraiment un enfant ou une petite enfant, 5 ans, peut-être elle peut oublier cet épisode elle va grandir, elle, elle a oublié ça, mais le fait est là qu'on l'a déjà déflorée, c'est-à-dire elle n'est mm. plus vierge. Mm, mm, mais sur le plan actuellement des attouchements, elle peut oublier, tout comme ça peut aussi la marquer à vie. Hein. Que demain, même si elle va se marier, après vouloir faire la sexualité normale, ça va la traumatiser parce qu'elle a été victime de, cette, euh, de cet épisode-là qui peut l'a traumatisé toute sa vie. Et imaginez-vous un peu par malheur aussi mhm. que ce soit elle est infectée par une pathologie, mhm. genre le VIH aujourd'hui, qu'elle en termes de délai de vie mhm. et qu'elle aura encore, si c'est par exemple des 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qu'il lui reste encore dans l'avenir C'est vraiment, comme l'a dit... Euh, le, professeur ici mhm. à côté, c'est une société demain. Qu'est-ce qu'on va produire Qu'est-ce qu'on va produire vraiment L'impact euh, sur la santé est énorme. Je vous propose d'ailleurs euh, d'écouter le monsieur Alzouma Alfazazi, il est psychologue clinicien à l'hôpital national de Niamey. Il nous parle des impacts psychologiques euh, de ces genres de pratiques sur les mineurs. Ces là ou ces actes de violence chez l'enfant quel que soit l'âge de l'enfant, constitue une source de discours psychotraumatisme chez l'enfant. Les, les compétences psychotraumatiques, on peut les classer en deux grands groupes. Mhm. Et quels sont ces, deux grands groupes Il y a les manifestations aiguës et les manifestations chroniques. Pour, euh, en termes euh, de ce qu'on peut voir de façon aiguë, à quelques heures, ou quelques heures, les jours suivants, dans les 72 heures suivant là, on peut avoir un état de choc chez l'enfant peut également développer de la peur et de la phobie, avoir des perturbations de sommeil la nuit, des cauchemars, des trucs comme ça. peut également voir que l'enfant, en état anxieux, il est là avec une certaine tristesse qui se manifeste au niveau du visage, et des fois aussi de la nervosité qu'on peut voir chez, cet enfant-là. Mm l'enfant peut également développer un certain sentiment de culpabilité par le fait que, euh, que je ne suis pas arrivé à dire non à mon agresseur. je ne suis pas arrivé à informer l'adulte qui me sauve, etc., etc., qui crée un certain sentiment de culpabilité, avec euh, des fois des couleurs qui ne sont pas, tendance à, s'agripper à l'adulte. Et lorsqu'on le ramène sur, le, langue sexuelle, tout simplement, vous allez voir qu'il y aura une perturbation de l'identité sexuelle chez l'enfant ou chez l'adulte qui peut se manifester à l'âge adulte l'identité mmh. sexuelle, mais ça peut être des perturbations. Est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme mmh. est-ce que au moment où il sera à l'âge adulte ou bien assumer une sexualité, ça va être très difficile parce que ça réveille du traumatisme que l'enfant a vécu auparavant là. Donc, il y aura des difficultés à, véritablement mener une vie sexuelle euh, normale, comme on dit. Quoi. L'impact, euh, il est énorme sur l'enfant. comment donc euh, se fait la prise en charge dans de telles situations voilà, la prise en charge, d'abord, il faut que la prise en charge soit immédiatement là. C'est-à-dire qu'il y ait déclaration et qu'on puisse véritablement s'adresser aux structures pouvant aider l'enfant et la famille à pouvoir de passer à pouvoir y faire face et à gérer. Hmm. Et des fois, vous savez, dans notre contexte, c'est surtout la déclaration ça qui pose problème des fois. Hmm. On, cherche à le gérer à la maison, mais sans se rendre compte euh, de ce que ça peut entraîner chez l'enfant. Hmm. Et des fois, euh, c'est quand ça devient très très compliqué qu'on fait recours euh, aux spécialistes à, la matière. Donc, pour dire que la prise en charge immédiate est nécessaire. comment elle se fait cette prise en charge psychologique euh, oui, c'est faites je euh? psychologique, euh, ce qui va s'inscrire dans les cadres des interventions que nous faisons sur toutes les situations de psychotraumatisme. Ce sont des conseils que vous donnez, vous attirez l'attention de l'enfant. Qu'est-ce que vous faites concrètement En fonction de ce que l'enfant manifeste, comme signe, comme symptôme, psychotraumatisme, que j'ai cité en haut là. Hmm. C'est des nervosité, c'était des perturbations de sommeil, c'est ça, ça, dépend de ce que là. Parce qu'il n'est pas dit que tout ce tableau-là se retrouve chez chaque enfant. Voilà, oui. D'accord Voilà, en fonction de ce que l'enfant présente, maintenant, il y a une intervention, la psychothérapie, euh, la psychothérapie <coughs> de soutien, la psychothérapie est bien élaborée pour nous présents. Mhm. Euh, la plupart des cas, ça peut être la, la psychothérapie euh, à tendance cognitivo-comportementale. On le désensibilise par rapport à ses peurs, par rapport à ces choses. On, le rassure. Mm-hmm. Parce que ça affecte également la famille. Il faut prendre en charge aussi la famille pour pouvoir euh, les rassurer, arriver à être, euh, à dépasser eux-mêmes leurs propres ressentis les, les ressentissements que ça a pour qu'ils puissent constituer en tout cas un environnement mm-hmm. euh, qui va rassurer l'enfant, un environnement auquel l'enfant peut s'accrocher ou un environnement sur lequel l'enfant peut arriver à compter ou qui peut l'aider à pouvoir avancer. Alors, euh, vous venez là d'entendre euh, M. Alzouma Al-Fazazi, il est psychologue clinicien à l'hôpital national de Niamey l'impact psychologique, il est énorme. Monsieur euh, euh Ouamadou, vous représentez l'ONG FEUV et on sait que l'ONG prend euh, en compte ces, ces genres de pratiques et dénonce ces genres de pratiques. Quelles sont les actions concrètes que vous menez sur le terrain pour lutter contre toute violence sur mineurs Ok, les actions sont nombreuses que nous menons sur le terrain. D'abord, sur tous ces arts de cas, on a une petite collègue aussi mm. qui va assurer la prise en charge psychologique. Mm qui va de temps en temps euh, surveiller l'enfant, voir des visites même de la famille. Mm-hmm. En plus aussi, au cas de, Si on oriente la victime au niveau du service sanitaire, c'est-à-dire que l'ONG est là pour l'accompagner aussi, pour les frais médicaux et accompagnement sanitaire par rapport à ça aussi. Mm. Et nous amenons aussi surtout la sensibilisation. Justement, La sensibilisation surtout au niveau de différentes euh, localités ou de différents quartiers ici à Niamey même hors aussi, parce que l'ONG intervient le niveau, au niveau national. toutes les régions du Niger, l'ONG intervient dans tout ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous menons des sensibilisations par rapport à ça. Mm-hmm. Mais à travers vos statistiques, ces genres de phénomènes se produisent euh, dans les centres urbains, les quartiers périphériques. Quelles sont vraiment les, zones les plus touchées par ces genres de phénomènes Bon, je n'ai pas les statistiques par rapport à ça, mm. vraiment. Mais je sais que et, tout récemment, je, comment on appelle ça Tout récemment, euh, je pense qu'au Niger, la zone au Niger, les différentes régions au niveau, qui se trouvent au Niger, je pense que c'est Agname et Azender qui sont plus touchés mhm. Mais statique, exactement savoir le nombre élevé de victimes ou de mhm. survivants, vraiment, je n'ai pas ça en tête. Mhm, mhm, Mais les, les, zones les plus touchées, Zender, euh, Niamey, qui sont plus touchées plutôt. Et donc, euh, c'est souvent les zones périphériques même qui sont touchées par ces, ces, genres de phénomènes, monsieur docteur Zangaou. Euh, est-ce à dire que ce sont les jeunes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu une éducation, comment dirais-je, élevée, qui, qui procèdent à ces genres de, de pratiques mais quand vous dites la ville <laughs> et vous parlez de la périphérie, ce sont les plus souvent les défavorisés euh, qui vivent dans des conditions euh, tout à fait difficiles. Euh, d'avoir l'environnement, l'hébergement, ça ne suffit pas pour tout le monde. Mm. Et une partie de la famille au dehors et même à l'intérieur, souvent, vous savez, l'enfant, il observe tout. Mm. Alors, quand euh, il y a une seule pièce pour un couple hein, et pour combien d'enfants, mais euh, l'enfant est souvent il au courant de ce qui se passe au niveau de, cette pièce. Mm. Et à la sortie, il essaie de reproduire ce qu'il a observé comme comportement. Mm-hmm. Oui, oui. Et ce qui fait que euh, beaucoup d'enfants découvrent très tôt la sexualité. C'est à partir même de leur environnement familial. Mm-hmm. Donc, en découvrant, évidemment, eh, ils font découvrir. L'enfant qui découvre, il fait découvrir cela à d'autres enfants. Donc, la situation eh, se propage très rapidement. Et comme ils sont généralement nombreux à être au dehors, et surtout à des aires où il ne fallait même pas qu'ils soient au dehors, mhm. c'est normal que eh, les, statistiques, les statistiques des victimes de ces formes de violence soit beaucoup plus élevé dans les quartiers périphériques mhm. où la protection n'est pas assurée, la protection de l'enfant. Mhm. Alors que dans, euh, au milieu, dans certains quartiers, dit les quartiers de luxe, mhm. bah, l'enfant n'est pas tellement exposé. en tout cas, jusqu'à un certain âge. Et ça, ça les protège. Alors, docteur, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce, sur ce cas Bon, franchement, c'est comme euh, a dit, il n'y a pas de chiffres exacts. Hein du moment où, même dans des maisons aisées, c'est là on a des cas de boy, c'est-à-dire le, mhm. l'agent qui fait le ménage avec les enfants du patron. Mhm. Vous comprenez, c'est difficile franchement à l'idée de dire en périphérie, vous pouvez voir un cousin et une cousine. Euh, ou bien quelqu'un des les gens du village là mhm. qui sont venus et puis ils s'en prennent aux enfants. Jusqu'à un cas là, on a eu une fois une malade mentale Mm. avec une des cousins dans la maison. Mm-hmm. Elle, elle avait quoi, 13 ans ou 14 ans. Mm-hmm. Elle est même actuellement enceinte, 4 mm. mois. Mm. Il a fallu eux tous qu'on convoque les Après, on les a mis. Ils ont avoué c'est qui. Mais elle, elle est enceinte 4 mois. Mm-hmm. Ce sont ses propres cousins dans la maison. Et c'est un quartier, si je peux le dire, UP même de Niamey. Hein. C'est dû aux cousins qui viennent étudier dans la maison. Comme le docteur a dit, parfois, il y a le, reste de la famille que mhm. celui qui est bien placé amène. Mais franchement, c'est difficile de dire que voilà, mhm. exactement, c'est dans tel quartier, tel quartier. Ça mhm. n'est pas une personne. Ça n'est pas personne. Personne, vraiment. Alors, quel conseil pour les parents même Je dirais, si je veux commencer, c'est vraiment parler de la sexualité aux enfants je ne sais pas si on doit introduire des cours à l'école. Ils ont leur fameux économie familiale là, Ou là-bas. Mais deuxièmement, on a aussi un moyen qui nous permet d'avoir et que le contrôle des enfants là nous échappe considérablement aujourd'hui les réseaux sociaux là. Mmh, mmh, mmh. Le contrôle des enfants nous échappe complètement à travers ça. Ils ont des vidéos aussi, je prends Facebook là et autres là, exactement, l'internet sur Google, tous les sites là, ils ont accès. Donc il y a une découverte de sexualité et une sexualité maintenant qui n'est plus tabou comme avant. Avant, effectivement. Maintenant, ils ont tout devant eux, jusqu'à ils ont tendance même à, reproduire. cela. Vous voyez, pour essayer de découvrir leur sexualité. Mais mm. franchement, c'est de parler. Et comme aussi, le docteur a eu à le dire, peut-être il faut trouver soit une loi ou quelque chose pour pénaliser ça. Il faut que l'exécutif aussi. Celle qui existe euh, n'est pas suffisante. Exactement. Parce que nous, nous sommes couverts par le secret professionnel. si une famille vient, ils disent qu'ils veulent arranger à l'amiable. Vous n'avez pas d'autre Moi, je suis couvert par le mhm. secret professionnel. C'est une malade que j'ai devant moi, je la prends en charge et le reste de la prise en charge, comme vous avez, heureusement que vous avez eu l'accord du euh, psychologue clinicien, là, il mhm. va prendre en charge le reste. Nous, vraiment, on est tenus par le secret professionnel. Il n'y a rien qui nous oblige. Alors, le temps est contre nous. Nous sommes euh, presque à la fin. Alors, monsieur Ilyas Amadou de l'ONG FEV, quelles sont euh, les voies et moyens à suivre pour lutter contre les attouchements sexuels même Ok, les voies et moyens à suivre, d'abord, vraiment, il faut <laughs> l'application de l'État par mhm. rapport à ça. L'application de l'État. L'application de l'État. Mhm il faut, oui. il faut <laughs> sensibiliser les droits et devoirs des, des enfants. Mm-hmm. Savoir ce quoi leurs droits, savoir ce quoi leurs devoirs aussi par rapport à ça. Mm-hmm. Et en plus aussi, il faut vraiment renforcer la sensibilisation et la communication aussi. Mm-hmm. Parce que parfois, manque de communication, surtout aux parents. Vous voyez maintenant, surtout les petites filles, vraiment aujourd'hui, n'ont pas assez accès à la communication auprès de leurs parents. Beaucoup de communication. Docteur Zango, pour finir, euh, quel conseils conseil à la société pour éviter ce genre de euh, situation Beaucoup de communication, mais attention aux médias aussi. Euh, il y a certains films dits de la pacotille qui sont projetés dans nos chaînes. Mhm. Et ça, il faut faire très attention. Mhm. Beaucoup de jeunes imitent cela et ça conduit à des situations, bien sûr, euh, comme celle-là que nous sommes en train <laughs> de craindre pour, mm-hmm. euh, pour nos jeunes. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, euh, la télévision, c'est à contrôler. Et ça, ce contrôle, je crois que ce n'est pas seulement la famille, au niveau de la famille, mais au niveau central, il faut qu'on censure certains produits qui sont injectés dans notre marché. C'est vrai que c'est très difficile, mais il faut nécessairement aller dans ce sens-là. Merci donc à vous. C'est ici donc que prend fin ce débat qui portait sur les attouchements sexuels sur mineurs. En conclusion, l'on peut retenir que les attouchements sexuels sur mineurs sont une réalité ici au Niger et se présentent sous différentes dimensions ils impactent négativement sur euh, les enfants, d'où la nécessité de dénoncer tout cas d'harcèlement sexuel euh, sur mineurs. Avec une prise en charge rapide, euh, ces enfants peuvent être protégés. Et c'est ici donc que prend fin ce débat. Nous étions avec Dr Moussa Zangaou, il est sociologue. Monsieur Ilias Amadou, juriste de l'ONG FEV, Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Nous étions également avec le euh, docteur Iné Pierre Amourada, il est gynécologue obstétricien. Merci à vous d'être venu. À la présentation, c'était Nafisa Adam Sefo. À la technique, Mustapha Ayouba. À la régie vidéo, Issa Lawali. À très bientôt sur le studio Kalango pour une nouvelle thématique. Au revoir.